Dakar la jël Diaz donc C'est bon, les gars. Voilà, Michel Maire, allez-y. Vous êtes le leader de la coalition Samoussa Kadou, maire de Dakar. Euh, votre commentaire par rapport justement à la décision que vient de prendre le, le procureur de Tambacounda Je ne commenterai pas la décision prise par le procureur de Tambacounda parce que la décision ne vient pas du procureur. Et je pense que nous, les hommes politiques, il est temps maintenant qu'on lâche un peu les baskets des magistrats. On a assez tapé sur eux. La décision, elle vient d'en haut. Elle vient particulièrement de celui que j'ai baptisé Mimi, qui a passé tout son temps à mentir au peuple sénégalais, qui a démontré à suffisance son incompétence et au besoin aujourd'hui qui continue à manipuler et bien sûr pour pouvoir masquer son incapacité à diriger ce pays. M. Bougan Gaïdani est un otage du régime de Mimi. M. Bougan Gaydani dérange aujourd'hui le régime de Mimi. M. Bougan Gaydani est un candidat sur une liste validée par le Conseil constitutionnel. Vous comprendrez aisément, nous sommes lundi aujourd'hui. On veut nous faire croire que M. Bougan Gaydani sera présenté au juge en flagrant délit. Est-ce que quelqu'un peut croire ici que durant toute cette semaine-là, ça veut dire euh, d'aujourd'hui au euh, vendredi 25, qu'il n'y a pas une seule audience de flagrant délit à Tambacounda. Si c'est le cas, c'est que Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Parce qu'à Dakar, il y a des audiences en flagrant délit tous les jours. S'il n'y a pas d'audience toute cette semaine à Tambacounda en flagrant délit, je le répète, Tambacounda ne fait pas partie du Sénégal. Alors, quel est l'objectif recherché Sachant que la campagne démarre le dimanche 27, on veut présenter M. Bougan Gaidani au juge euh, en audience de flagrant délit le 30. Ça veut dire trois jours après l'ouverture de la campagne. Ce n'est que du divertissement, ce sont des enfantillages, nous ne tomberons pas dans ce panneau. Nous lançons un message au peuple sénégalais. Nous lançons un message à tous ces Sénégalais, tous ces, tous ces Sénégalais qui sont battus, corps et âme. Certains ont versé leur sang, d'autres ont été privés de liberté. Paix aux âmes de ceux qui nous ont quittés. De se mobiliser, il y a eu trop de sang versé, trop de sacrifices consentis pour que le Sénégal revienne en arrière. La vérité aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir il y a sept mois de cela, avec un score mais plus qu'honorable de 54%. Et aujourd'hui, on finit de montrer leur vrai visage. Et ça, j'insiste là-dessus. Et aujourd'hui, ces gens, comme vous le saviez, avant, ils aimaient être dans la rue. C'était terrain capes, terrain Kharial, terrain Kermassar. Maintenant, ils préfèrent s'enfermer dans des salles le Grand Théâtre, Dakar Arena. Dakar Arena, vous savez, c'est 15 000 places. 15 000 places, vous devez le faire quasiment quatre fois pour avoir un seul député. Donc franchement, le mensonge, l'incompétence, la manipulation et ah l'incapacité, ça, ça doit franchement arrêter. Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est les Sénégalais qui doivent ouvrir leurs yeux. Parce que ce pays nous appartient à nous tous. Vous avez eu un espoir porté sur un parti, sur un homme, ce parti et cet homme sont en train de, vous montrer leurs limites. Si maintenant, cette élection, certains pensent qu'ils vont refroidir nos ardeurs en arrêtant des leaders de cette coalition, ils se trompent lourdement. Vous avez vu, nous sommes venus paisiblement ici. Paisiblement, je le répète. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté. Ils n'ont pas trouvé autre chose que d'amener des gens ici payés à 2000 francs, 3000 francs la journée pour chercher à nous insulter. Je préfère le leur dire pour la dernière fois s'il y a des dérapages, c'est eux seuls qui seront responsables de ces dérapages. Parce que s'il y a une personne dans ce groupe là-bas qui me connaît très bien, c'est bien Mimi. Et il sait très bien que je ne fais pas partie de cette race d'hommes politiques qu'on menace ou qu'on intimide. Il me connaît très bien. Donc je les invite à un peu plus de lucidité, de sérénité, de faire preuve de tenue et de retenue. Parce que le combat, il aura bien lieu. Et le combat, ce n'est pas le folklore politique. Les Sénégalais sont dans leur maison, dans leur bureau, avec leur carte d'électeur. Et les Sénégalais une chose est claire et nette, ils sont soucieux de l'avenir et du devenir de ce pays. Mais Bougan Gaydani est un homme politique. Il sait très bien que ça, c'est un passage peut-être des fois, malheureusement, je ne dirais pas obligatoire, mais forcé. Je lui ai seulement dit qu'il occupera la même cellule que j'ai occupée à la prison de Tambacounda il y a quasiment maintenant 13 ans de cela. Donc, euh, comme vous le savez, la prison de Tambacounda n'est pas une prison. C'était un ancien enclos pour chevaux. Donc je lui ai bien indiqué sa cellule. Il prendra le couloir principal. La deuxième cellule à gauche, sera la sienne. Voilà, je lui ai décrit la cellule, je lui ai décrit la cour avant. Et je lui ai aussi expliqué qu'il va occuper euh, le secteur des, mineurs, des jeunes. Je reste convaincu que ça sera une épreuve qui va le fortifier il sortira grandi de cette épreuve. Ah, comme ni ma dit, je bëgguma nekk fii di commenter décision procureur du Tambacounda parce que le procureur du Tambacounda jëlul décision décision bi mi ngi ci Mimi Mimi moi comment ma l'ai dit wax euh, semaine dernière mooy ku dul wax dëgg tubaab di koy menteur mooy euh, ku xamut dara tubaab di ko woy incompétent mooy kuy un marteau tubaab di ko est manipulateur moy ku incapable tubaab di ko way ku tële eh, wala sax di ko way ku kon nak mbok yi lu fi am tay ñep xam nañ ko daanaka yokkat nañ beneen euh, chef d'inculpation nee nañu ba ñu pare euh, refus d'obtempérer euh, ñu daldi wax naan que gan dañ ko top ci outrage à agent yeen ñep gis ngeen vidéo yi outrage à agent mooy daanaka da nga yëkëti saga teg ko ci kaw Takeder, wala mu wala nga pogné ko wala nga ak mom ñep gis ci bi lu mu ak euh, gendarme bi moy wax waxu kilifa waxu fulla waxu fayda wante kenn déggu fa wax bu ñak moy ben bi mom gendarme bi daf nga taxaw parce que président des romb wa maintenant nak wax naa man duma wax commenter décision procureur wante procureur il a yomidine du fi mas du fi massa a démontrer que président bu nekkon ci jawji bu gan nekk ci soufsi bu gan manako empêcher mu dial yéen fan ngeen gis président don circuler Bakel ci ci convoi munoo nekk ci jawji ji waa nekk ci soufsi mais ngeen di laalante mënul nekk c'est de la provocation régime bi dañu télé.

gis ngeen provocation bi sax tey ci suba euh, ci tribunal bi ñëw nañ fii ci jàmm ak salaam dugg coog ci tribunal bi euh, benn policier ñëw nañu dafa recevoir ay instruction que man noruma toog ci biir tribunal bi te tribunal bi muy un service public d'utilité publique nit mën na ñëw tribunal pour lu ko neex moo xam day wut si këyit moo xam day euh, day day ñëw wuy si juge moo xam day déposer plainte moo xam lan na ko indi tribunal mais ban tribunal ngeen en tant que citoyen ngeen vous ken xamul len fi indi su sax sax pour wala wala policier comme d'habitude j'ai reçu des instructions instructions, instruction yooyu que bëgg ñu xam ni du ay verset coranique du ay verset biblique instruction bi su du top dossier ba que gendarme di interpellé wa su ko gendarme yi dama bëgg dama bëgg nga jël dawal ko ci est-ce que acte est-ce que l'instruction est-ce que légal légale? top. suivre donc les instructions venant des hommes de tenue ne sont à respecter que si instruction instructions ah, plus ou moins mais nous euh, Dakar bureau effectivement le le sondage et j'espère que nous profiter ci occasion euh, euh, catastrophe naturelle bu am Bakel pour nous élection

yen war tambakunda yen lay waxal le 30 dina dellu ci war tambakunda bu jappelé Bougane di nga xam nak est-ce que tambakunda dafa am ndeyu kenn ku fi mom wala baye kenn ku fi mom parce que nak amna lu kenn dul nangou Sénégal ngay nekk Sénégal nekk sa nakar di dox lu ngay dox ay nit jogé feulé dina bëgg a kenn du ko fi nangou reewantu toubé la té ragal dëkku fi comme nak na ngeen le 30 ngeen ko atté le 30 prenez toutes vos dispositions parce que nekk fi di fekk ay nit du jogé Dakar ñew fi ci yar ak jàmm Salam, pour jàppale sen mbok nga ne da ngeen di da ngeen niñu ko téré def da ngeen di sen xel maintenant nak tout le monde est mis devant ses responsabilités ce qui s'est passé tout de suite tout à l'heure ñëpp gis ko je reviens à ce que j'ai déjà dit nous soutenons Bougane Gueye Dany parce que amul lenn lu ñu mën a ci kaw déru euh, Bougane Gueye Dany tay pour di condamner parce que tay suñu ñu ba yok ci euh, charge outrage à agent mais ñun ñep on a vu les vidéos gisuñu fenn fu Bougane saagay agent gisuñu fenn fu Bougane poñe agent au contraire mom lañu ñu ay yéreem donc fan lay outragé ban agent Té bala may dé. ñom gis nañ que premier chef euh, d'inculpation bi ça ne tenait pas la route ba ñu ne dañ dañ ko né mu euh, mu taxaw président de doon dial wa président bu nekk ci roplaan di euh, di survoler ben zone koku nak la mëna dajé ak ku nekk ci ko suuf si fan lañu jaar ba dajé mënul donc tout le monde sait que li du lenen ginnaaw benn prise d'otage dañu bëgg japp ben kilifa bu bok ci coalition samba Sa Kàddu pour wàññi doole coalition samba Sa Kàddu lolou dañuy foye sen xel dañuy nax sen bop parce que tay sénégalais ño xam ci ban bo la ñu bokk wante sénégalais am nañ ay bët mën nañ gis am nañ ay nopp mën nañ dëgg te am nañ xel pour mëna xalat xalaat te lu ñu doon xeex démb mooy nooteel bu ñu doon wootee yebeel bu doon wootee jaay doole bi ak ma tay bi mom lañu à continuer di bataille. ba tay parce que Bougane su jàllee ci Bougane donne mën don man je donne bokum Bokoum don Pape Djibril je donne Antebabakar, je Babacar n'importe quel autre responsable politique parce que malheureusement ça ce n'est plus une euh, dictature rampante c'est une dictature actuellement debout même pas à genoux mais debout donc c'est au peuple sénégalais de comprendre aujourd'hui où se trouvent les enjeux et Bougane ko wax que moy li ma mënul ñak ci politique le bokk

té amana sax do gisenté ak ñu nek ci kasso gi parce que premier cellule bi moy pour jigéni bu ci téggu moy pour euh, minerie yi jeunes yi euh, xam naa dañuy tey xamna naa yu nek Tambacounda yi mom ñëppay kontaan parce que dañuy dañ xam dañuy libérer ñëpp pour que mom mu mën euh, utiliser euh cellule bobu wanté lu am ba am je crois que Bougane dégg na daaj ay noonam du waa administration pénitentiaire ay nonom du gendarmerie ay nonom du police parce que sonn nañu di leen di xeex te ñoom ñëpp ay sénégalais lañ lañu ni ñun donc euh, di gërëm tamit euh, tous ceux qui sont mobilisés pour toutes les listes de l'opposition ñu ngi fii ak